Fidèles auditeurs euh, des médias, partenaires du studio Kalangou, bonsoir. Il est 18h15 euh, à Niamey. Bienvenue dans ce numéro de ce soir euh, du forum de studio Kalangou que vous suivez dans toutes les huit régions du Niger grâce à notre réseau dynamique de radio partenaires. L'émission qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité et de société que vous vous posez quotidiennement. Processus de recrutement des contrats actuelle de l'éducation à la fonction publique, euh, enjeux et perspective est notre thème de ce soir. Les 25 et 26 janvier dernier, quatre centrales syndicales comptant parmi les cinq plus grandes du Niger réunies au sein de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN avaient observé une grève de 48 heures sur l'ensemble du pays. Dans les premières lignes des principales revendications de ces centrales syndicales figurent le recrutement des contractuels de l'éducation et de la santé à la fonction publique. En ce qui concerne le recrutement des contractuels de l'éducation à la fonction publique, une rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et les représentants du secteur a été organisée le 1er février 2023. Au terme de cette rencontre, il a été annoncé qu'un plan de résorption visant à résorber l'ensemble des enseignants contractuels du ministère en charge de l'Éducation nationale remplissant les conditions d'intégration à la fonction publique sur mis en œuvre. Ce plan prévoit quatre euh, cohortes euh, sur la base de l'ancienneté et la première qui s'apprête à être évaluée avant d'être recrutée est composée de 22 942 enseignants contractuels. Comment les différents syndicats du secteur de l'éducation s'apprêtent à accueillir ce recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique nigérienne Quels sont les enjeux de ce recrutement Quels sont les défis à relever en vue de sa bonne organisation pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Hima Achana. Il est le directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité est M. Ali Osamna, secrétaire général du syndicat national des enseignants de base, le SNEB. Monsieur le SG, bonsoir. Bonsoir. Et M. Daoud Gali, il est le secrétaire général adjoint SGA1 du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Niger SNEN. Monsieur le SG, bonsoir. Bonsoir. À la modération du forum de ce soir, je suis Michel Dij. Pour euh, commencer, M. Hima Achana, représentant du ministère euh, de l'Éducation nationale, quels sont les chiffres disponibles par rapport aux effectifs des enseignants contractuels au Niger. merci donc euh, à Kalangou donc, de nous avoir invités à ce forum. Donc les enseignants contractuels en ce qui concerne l'éducation nationale sont au nombre 70 473. Dans les 70 473, qui vont être concernés donc euh, par la question en fait euh, de réception. Mhm. Il y a un nombre donc euh, qui au 31 décembre 2022 de 7038 qui ont plus de 45 ans. Cette prise est importante parce que dans le texte, nos textes chez nous, lorsque vous dépassez 45 ans, vous n'êtes pas intégré à la fonction mhm. publique. C'est le maximum. C'est le maximum. Mhm. Donc c'est un processus qui sera donc en fait géré à part. Toujours est-il que les chiffres donc peuvent évoluer et par rapport à la question donc, euh, mhm. euh, de ceux qu'on appelle à de ceux qui ont plus de 45. Voilà en ce qui concerne les effectifs qui concernent le ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général du syndicat national des enseignants de base, SNEB, depuis quelques années, plusieurs syndicats du secteur de l'éducation demandent dans le rappel ce recrutement des anciens contractuels à la fonction publique. Aujourd'hui, cette euh, revendication est portée par plusieurs centrales euh, syndicales des travailleurs nigériens. Dites-nous pourquoi vous tenez à cette revendication en tant que responsable euh, de syndicats du secteur de l'éducation. Bien, merci. Il faut dire que la question du recrutement des contracteurs à la fonction publique, en fait, n'est pas une question nouvelle. Euh, cela a toujours été vraiment une préoccupation des syndicats d'enseignants. Et il faut le dire, en 2000, 16 2017 le regroupement des syndicats euh, d'antan avait signé un accord avec le gouvernement dans le cadre effectivement du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Et il y a, il y a eu recrutement jusqu'au titre de l'année 2014. Mm-hmm. À partir de là-bas, lorsque la question a été posée, euh, le gouvernement estimait que euh, la question, étant donné qu'il y a des contractuels au niveau de l'éducation et de la santé, euh, que la question peut être euh, orientée au niveau des centrales syndicales d'antan, c'était l'ITN qui regroupait en son temps cinq centrales, les cinq centrales les plus représentatives. Alors, depuis ce recrutement au titre de l'année 2014, nous attendons chaque année à ce que, effectivement, les enseignants contractuels puissent être recrutés à la fonction publique. Mmh. regardez bien 2014. Avant, c'était au titre de chaque année. Pour chaque année, il y a un certain nombre d'enseignants euh, qui étaient recrutés à la fonction publique. Le nombre varie de 2000 à 3000 par année. Mais depuis 2015, on attendait, on n'avait rien eu. Et le problème, tu vois, tout à l'heure, même quand le directeur des ressources humaines exposait les chiffres, on a 7000 enseignants dépassés par l'âge. Mhm. Euh, pourtant, vous voyez, pendant toutes ces années, et euh, s'il y avait eu à chaque année de recrutement des contractuels à la fonction publique, euh, nous pensons qu'il serait difficile de se retrouver avec un chiffre aussi important. Alors aujourd'hui que l'ITN reprend ces questions donc en charge, cela n'est pas du tout étonnant puisque c'est le gouvernement qui nous avait dessaisi de ces questions et qui avait estimé que ces questions devront... C'est comme l'harmonisation euh, euh, ou la grille salariale, parce qu'à son temps, notre regroupement avait demandé à ce que euh, le gouvernement octroie une grille salariale aux enseignants. Et cette question également fait partie des questions qui ont été orientées vers, vers l'ITN. Aujourd'hui, l'ITN a décidé donc de prendre cette question donc en charge euh, nous, dans tous les cas, tel que soit par ailleurs, puisque l'ITN également, c'est nous, puisque ce sont, ce sont nos centrales syndicales, mais tel que soit par ailleurs le cas, nous, ce qui est important pour nous, il faut que nos camarades ayant servi ce système puissent être recrutés à la fonction publique. Nous, en tant que syndicat, euh, cela, de tout temps, nous a mis mal à l'aise, puisque vous ne pouvez pas justifier à des enseignants euh, de continuer à servir un système et de ne pas être recrutés. Je disais tout à l'heure, on s'est remet de la volonté du président de la République. Parce que le ministère en tant que tel, nos ministères partenaires, n'avait euh, n'avaient pas voulu effectivement que ces questions évoluent. Et c'est une question sur laquelle nous allons nous battre. Mais euh, le problème, c'est quoi euh, C'est que pour recruter les enseignants à la fonction publique, contrairement aux autres années. Hein, je dis jusqu'en 2014, le recrutement se faisait par ancienneté. Mais cette année, la problématique ou le problème posé, et ce qu'on dit qu'on ne recrute pas des enseignants sans qu'il y ait une évaluation. Oui, mais le ministère dit que ce sont les textes de la République Mais écoutez, c'est un débat. C'est un débat. Avant, avant, il n'y avait pas les textes, il y avait les textes. Et l'évaluation dont on parle, pour dire qu'il faut que les enseignants contractuels puissent être évalués. Et pour, moi, je, euh, je, vous informe, en 2019-2020, j'étais directeur d'école. Hum. Donc, euh, à ce titre-là, je sais que nous évaluons euh, les enseignants, pas les enseignants contractuels. Et même dans le statut général de la fonction publique et dans les, les textes, les autres textes évoqués, L'évaluation évoquée dans ces textes-là ne parle pas d'évaluation spécifique aux enseignants contractuels. Il parle d'évaluation, donc, euh, n'est-ce pas, aussi bien des enseignants contractuels que des enseignants titulaires. Mmh. Donc, si l'évaluation, telle que ça a été mentionné dans les textes, parle d'évaluer les enseignants titulaires et les enseignants contractuels, alors cela sous-entend que cette évaluation ne doit pas être une évaluation pour recruter euh, les enseignants contractuels à la fonction publique. Deux points de vue. Ça veut dire qu'à votre niveau, vous n'êtes pas d'accord, c'est ça. Mais c'est évident que. On, va revenir sur ça justement. C'est évident. Monsieur eh, Ali merci beaucoup. Monsieur Daoud Gali, secrétaire général euh, adjoint au niveau du bureau exécutif national euh, du syndicat national des enseignants du Niger, le SNEN. E Il faut rappeler justement que le ministère de l'Éducation nationale a expliqué que selon l'article 5 du décret de février 2022 modifiant et comprenant étant le décret de février 2009 fixant les conditions et les modalités de recrutement sans concours aux emplois de fonctionnaires des agents contractuels de l'État aucun agent contractuel de la fonction publique de l'État ne peut accéder à un emploi de fonctionnaire sans concours s'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation du service employeur indiquant la qualité des services effectués et s'il ne remplit pas les conditions d'ancienneté ou de durée de service contractuel et ou volontaire fixée en fonction de l'emploi de recrutement. Quelle analyse en faites-vous à votre niveau Merci beaucoup. serait serait difficile qu'on trouve euh, un syndicat de l'éducation nationale qui va apprécier ce texte, si bien que euh, peut-être il serait important de vous rappeler le contexte mhm. dans lequel était parvenue cette modification du décret qui peut, suite, euh, après la signature du protocole d'accord dynamique gouvernement l'année passée en 2022, ne soit, qui est, donne le point de recrutement des anciens contracteurs à la fonction publique c'est la base de l'évaluation a fait l'objet d'une contestation. Mais malgré tout, le pouvoir avait utilisé son pouvoir pour qu'à la suite euh, modifier le texte, et notamment le décret 2009 72 pour prévoir en tout cas l'évaluation à son article 5 et l'article 141 et autres. Mais ce que moi je dirais par rapport à ça, en fait, en réalité, le contexte de recrutement des anciens contractuels, effectivement, ça a été l'objet de beaucoup de nos plateformes revendicatives que nous avions l'habitude de, déposer, suivi le plus souvent des arguments jusqu'à arriver à un moment où nous avions convaincu le gouvernement dans la recherche de la qualité qu'il faudrait aussi supprimer la contractualisation, mmh. chose à laquelle le gouvernement avait répondu favorablement l'année passée n'est-ce pas, où il y avait une sortie médiatique du ministère en charge de l'éducation nationale pour informer l'opinion nationale et internationale que le Niger vraiment entend, en tout cas, dissiper à terme, mettre fin à la contractualisation. C'est vraiment ce, message-là, nous l'avons acquis avec plaisir, tout en espérant qu'effectivement le processus va être établi dans le meilleur délai, mm. jusqu'à ce en tout cas nos camarades qui ont assez, duré dans, dans ce contexte de contractualisation puissent enfin retrouver en tout cas et la fonction publique. Maintenant, c'est qu'après la modification, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'en réalité, c'est pas maintenant que nous devons tout simplement engager. Il faudrait que nous soyons sincères. Lorsque le gouvernement avait modifié le décret, c'est en sens là en tant que légaliste, parce que normalement un syndicaliste, c'est un légaliste. Il doit être, en tout cas, il doit respecter les, textes qui régissent la, notre, notre constitution. En ce sens que lorsque le décret a été modifié, c'est en ce moment-là que tous les syndicats, nous devons sortir pour combattre la modification de ces décrets-là. Mais qu'à cela ne tient. Maintenant, tout à l'heure, mon ami avait un peu éploré la question des centrales syndicales, que moi, en tout cas, dans ce combat-là, je n'apprécie pas du tout, en tout cas, leur intervention, parce que depuis 2016, lorsque nous avons suivi le coup de résiliation de nos camarades, aucune centrale, j'ai dit, aucune centrale, y compris la mienne, n'a jamais tenu un discours de soutien pour en tout cas soutenir les syndicats par rapport à la, en tout cas aux résiliations de nos camarades. Et lorsque la situation, même après le, le, le protocole d'accord, c'est seulement la dynamique et les autres syndicats actifs en éducation, en tout cas, qui sont en train d'évoluer dans le combat pour arriver au recrutement des anciens contracteurs. Mais ce n'est pas au moment où la dynamique avait en tout cas profité en tout cas de ce contexte, pour sensibiliser le maximum d'enseignants que certaines centrales, en tout cas, vont profiter de cette situation pour pouvoir, en tout cas, faire des, en tout cas, de leurs revendications notre problème. Nous, nous pensons que l'intervention de l'ITN en ce sens, c'était vraiment une déstabilisation en tout cas de la conduite du dynamique. C'est votre point de vue. Je dois préciser à ce niveau que votre structure, le SNEN, e n'est pas membre de l'ITN vous êtes au niveau de la CDTN. Il faut rappeler également que votre euh, centrale syndicale, qui est la CDTN. en tant que, en, en tant que syndicat membre de la dynamique, nous aurions voulu que la dynamique et les autres syndicats de l'éducation puissent prendre le problème du recrutement des anciens contractuels en charge et non pas les centrales. Mm. Les centrales qui nous ont pas apporté pendant plus de 5 ans au moment où nous vivons la vraie galère, c'est pas maintenant aujourd'hui quand les gens vont profiter du contexte pour dire ça. Et ça, j'ai dit, c'est mon opinion mhm. en tant que membre de la dynamique. Parce que moi, je pense que l'action là qui s'est passée, c'était une action pour saboter ou pour déstabiliser la dynamique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été apprécié par tous les mhm. syndicats, le 28 syndicats membres de la dynamique. Maintenant, par rapport à, mhm. à, cet aspect et, et recrutement des anciens contracteurs, aujourd'hui, nous, ce que nous avions beaucoup exigé, c'était la, la, sortie du plan de résorption. Maintenant, par rapport à l'évaluation, nous, au niveau de la nous avons pris l'initiative de laisser l'appréciation à la base pour prendre la décision qui s'impose. Mhm. Ensuite, vraiment, nous verrons comment nous, au niveau de la dynamique, nous pouvons gérer cette question de l'évaluation. Pour l'instant, j'ai dit, vraiment, nous avons fait beaucoup de rencontres, nous avons beaucoup d'explications de part et d'autre, mhm. mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que ce plan de résolution puisse être réalisé à l'avantage de nos camarades un contrat. Merci beaucoup, M. Daoud Gali, secrétaire général euh, adjoint du Ben euh, Snen, euh, Monsieur Hima Achana, représentant du ministère en charge de l'éducation nationale. On a compris que c'est en 2022 que le gouvernement a décidé de modifier un décret de 2009 pour pouvoir euh, insérer, en tout cas selon les explications du SIG et du SNEB, ces dispositions qui prévoient l'évaluation avant le recrutement à la fonction publique. Comment expliquer cet état de fait Bien, merci. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 Quand la dynamique avait lancé sa grève, elle avait exigé l'application du décret 2009. Et le gouvernement a, a décidé d'appliquer, c'est eux qui ont dit d'appliquer le décret. Comment on applique un décret On lit, on voit le contenu. Dans ce contenu de ce décret, l'article 5, c'est ça que vous avez lu. Ce n'est pas nouveau, c'est depuis 2009. Donc, c'est deux conditions, évaluation et ancienneté. Maintenant, quand on lit l'article 6 du même décret, dans la composition du dossier à déposer, on a vu qu'il n'y a pas une disposition qui permette de déposer un dossier allié avec l'article 5. Mm-hmm. La révision a constaté à ajouter la pièce relative à l'évaluation. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas indiquer son contraire. Les gens ont grévé en janvier 2022 pour exiger, c'est le premier point de la revendication de l'année, mais on peut vérifier ça il y a eu ce recrutement, c'est vrai, euh, sous, en fait, sur le dossier, avec toutes les critiques pour la question de transparence qui est là. Mais lorsqu'on est dans un côté où chaque fois on parle des textes, quand les gens demandent qu'on les applique et qu'on les sorte pour les appliquer, je pense qu'il ne faut pas se dédire. Nous sommes dans un régime démocratique. Si quelqu'un estime que les textes ne sont pas c'est qu'il documents suffisamment à l'opinion mhm. et qu'il le dise. Mhm. Et où est-ce, comment est-ce qu'il faut évaluer un enseignant Il y a un décret aussi qui est le statut des cadres, puisque chaque cadre un statut particulier conformément aux lois. C'est là-dedans, l'article 54 heureusement, il c'est décrit comment on évalue. Voilà la démarche en fait du gouvernement qui consiste à donner suite aux engagements qui de les textes. Maintenant, si ce n'est pas ça, c'est quoi les textes alors quelqu'un dit que c'est pas. Lui, son étonnement à euh, au Samna, Ce qu'il explique avant, c'était juste l'ancienneté. C'est important. Mhm. C'était juste l'ancienneté, mais pourquoi on écrit ça dans une plateforme, dans une grève mhm. Puisqu'on sait qu'il était là, il est là il faut nuancer. Hmm. Le recrutement du secondaire est entré dans un autre contexte. Au secondaire, lors d'une rencontre avec le chef de l'État, il avait été évoqué l'action des pénuries des enseignants scientifiques dans le secondaire. Hmm. Il y a quelques 344 diplômés des écoles d'enseignement supérieur, euh, des professionnels, qui seraient sortis et qui sont là. Le président a demandé qu'ils soient recrutés. On a informé le président également pour dire dans le cadre de, l'encadrement de la de, de, la qualité, le secondaire en 2009 a fait une, a euh, évaluation pour voir les renforcements des capacités qu'il faut leur faire. Et à l'intérieur, tout le monde a été concerné, contractuel comme titulaire. Mmh. Et on a trouvé 2150 contractuels qui sont, qui sont bons. Et le président a dit de, donner leur, de les recruter à la fonction publique. Mais bon, souvent, c'est un peu le sensationnel ou le motivé qu'on développe il faut qu'on fasse un langage clair et qu'on développe les choses argument par argument. Et effectivement, dans la revendication des centrales syndicales, il est écrit mettre fin à la contradiction, c'est important. <laughs> C'est pour ça qu'on a dit que le gouvernement, c'est un dispositif global. Le contrat, il y a ça à la santé, il y a ça. Donc, et dans le cas de l'ITN, effectivement, c'est terminé normalement puisque un acte a été pris à la santé comme en fait à l'éducation sur ces questions-là. Et c'est ça qui avait été donc en fait exigé. En tout cas, c'est la conviction donc à fait du, gouvernement et c'est les instructions que nous avons reçues pour que, même si <laughs> je suis vu certains qui sont allergiques qu'on dise que c'est l'instruction. Chaque président qui vient a un programme politique qu'il met en œuvre. Mhm. Que quelqu'un ne soit pas mécontent qu'on rappelle il a en charge euh, la politique, la politique euh, de, de, nationale. ces questions-là par laquelle s'est fait à lui de rendre mais qu'un auditeur euh, dise que lui, il ne veut pas qu'on parle de son excellence. Mais, qu'est-ce qu'on peut On va parler de lui. Merci beaucoup, Monsieur Himachana, directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale. On vous a bien compris. Monsieur Ali Osamna, secrétaire général du syndicat national des enseignants de base. Alors, pourquoi à votre niveau vous êtes contre cette évaluation en perspective eh Merci Michel. Avant d'arriver à mhm. ça, il est important que je puisse apporter apporter un peu de clarification par rapport à deux aspects que je n'ai pas voulu évoquer. Parce que vous savez, eh, la question de la dynamique ne m'engage pas. Mhm. Eh, le SNEB n'est pas membre de la dynamique. C'est mhm. pourquoi je n'ai pas voulu parler de la dynamique. Mais vous n'étiez pas dans la dynamique qui avait observé beaucoup de grèves et qui était en tout cas nous, euh, avons, porteuse de avons beaucoup de revendications. Nous, mhm. notre repère, ça date donc de, du protocole d'accord que nous avions donc y assigné au moment de cause Niger-Sinaseb dans lequel le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements. Vous dans, dans les engagements, oui, dans mm-hmm. les engagements que nous avons d'ailleurs, que le gouvernement avait signé, c'était effectivement de nous dessaisir de la question du recrutement des contractuels et de la grille salariale pour donner ça à l'ITN. Mm. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Le gouvernement aujourd'hui est tombé dans son propre piège. Il mhm. faut le dire sincèrement. Alors nous, c'est nous qui faisons la lutte en ce temps-là. Mhm. Et tout le combat était le syndicat d'enseignants. L'ITN, en ce temps-là, rappelez-vous bien, n'a jamais eu le courage même de faire une déclaration à plus forte raison poser un préavis de grève pendant ce temps-là. Et nous, au niveau des syndicats d'enseignants, nous avons pendant ces grèves-là plusieurs fois, en ce temps-là, l'ITN de l'ancienne version, nous appeler pour essayer de nous convaincre même d'abandonner le mouvement des grèves. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement avait enlevé ces points pour l'attribuer à l'ITN, l'ITN des cinq centrales. Aujourd'hui, le contexte au sein de l'ITN d'abord a changé. L'ITN n'est plus cinq centrales. Une centrale est sortie. Il y a, quatre, il centrales. Syndicales. Et aujourd'hui, les personnalités également ont changé. le contexte a changé. Et l'ITN actuel a estimé que l'ITN doit être une structure syndicale en prenant en charge les préoccupations des travailleurs. Le SNEP est membre de l'ITN. Mhm. C'est en ce temps-là que je parle de l'ITN. Parce que, j'ai pas voulu, pas voulu que l'action de l'ITN puisse être appréciée par une structure qui n'est pas membre de l'ITN. Et c'est pour cela que moi, je n'ai pas voulu parler de la dynamique. Mhm. Parce que dans le combat de la dynamique, la dynamique a signé son engagement ça n'engage que la dynamique. Oui, mais monsieur nous, ça nous engage on vous a compris, il y avait beaucoup de points de discorde, mais aujourd'hui, qu'il y a un nouveau décret qui modifie ce qui est prévu. et il explique même que l'article 5 était déjà prévu dans le décret 2009 déjà. L'article 5 mhm. nouveau dit quoi il faut les lire. Il dit ceci. Aucun agent contractuel de la fonction publique de l'État ne peut accéder à un emploi de fonctionnaire sans concours s'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation du service employeur indiquant la qualité des services euh, effectués. Mais qui vous a dit que les enseignants contractuels actuels n'ont pas été évalués J'ai quitté la direction de l'école en 2020. Je sais que les enseignants sont évalués. D'abord, que ce soit enseignant contractuel, mhm. que tu sois enseignant titulaire. C'est pourquoi dans la loi, mhm. dans la loi même, l'évaluation concerne aussi bien les enseignants titulaires que les enseignants contractuels. Mhm. Si l'évaluation était une évaluation recrutement, alors l'évaluation devrait concerner seulement les enseignants contractuels. Malheureusement, l'évaluation de la loi concerne les enseignants contractuels et les enseignants titulaires. Et je vous explique, je dis que l'évaluation a toujours existé. Et les enseignants, les directeurs d'école d'abord, sont les premiers qui évaluent. Mhm. Il y a des fiches d'évaluation hein, mhm. en tant que directeur d'école, à travers lesquelles nous passons dans les classes pour évaluer les enseignants. Nous évaluons les enseignants contractuels et les enseignants, Vous les faites comment, et les enseignants Chaque année nous avons le devoir de le faire chaque année. Et un enseignant peut être évalué deux fois ou trois fois. Hein. Mhm. Parce que c'est des évaluations pour remédier aux difficultés face auxquelles les enseignants sont confrontés. et si le gouvernement dit que ce que vous faites euh, ne répond pas à ses attentes J'arrive. En dehors des directeurs de d'école, mhm. il y a les conseils pédagogiques qui le font. Mhm. En dehors des conseils pédagogiques, il y a les inspecteurs qui le font. Si le gouvernement dit que ce qu'on fait doit changer, nous ne sommes pas contre. Et tout à l'heure, le directeur disait qu'il y a certains euh, qui disent qu'ils ne veulent pas entendre parler du programme du président de la République. Mais il n'y en a pas quelqu'un. Sauf si c'est un débile. Parce qu'on sait que le président de la République, c'est le père de tout le monde. Le président de la République a, une politique. Il l'a mis, il dit voilà ce que je veux. C'est ça l'homme politique. Et d'ailleurs, nous, dans nos interventions, nous disons que les achana, les DRH et les ministres sont en train de fatiguer le président de la République. Pourquoi nous le disons Parce que le chef de l'État, lui, il décline, il dit voilà ce que je veux. Il trace sa voie politique. Voilà son programme. À travers son programme, il veut qu'il y ait la qualité de l'enseignement. Et pour arriver à la qualité de l'enseignement, il n'a plus besoin de faire de réunions avec ni les, ministres, ni les directeurs centraux. Il <laughs> faut que ce soit les ministères on qui peut apparemment. Non, mhm. attends Michel, il faut qu'il s'asseyent mhm. pour trouver la voie par laquelle ils vont faire en sorte que dans le système qu'il y ait des enseignants performants. Mais le recrutement à travers l'évaluation est une violation de la loi. Dans la loi, il n'a été dit nulle part mm-hmm. que un contractuel doit être évalué pour être recruté. Mais il parle de l'évaluation et tout le monde mm-hmm. sait qu'il doit être évalué. Vous protestez d'ailleurs contre cela. Maintenant que le gouvernement a décidé que c'est ce qu'il faut faire, que le gouvernement, est-ce que vous êtes que partie le Est-ce que vous allez à ces évaluations Mais écoutez, mm. maintenant que le gouvernement a dit voilà ce qu'il va faire. Mm. Mais si ce n'est pas conforme à la loi, si nous nous voyons que ce n'est pas conforme à la loi, nous le disons au gouvernement. Mm. Il est le décideur. Mais nous le disons pour l'histoire. Nous ne pouvons pas contraindre le gouvernement. Ce qu'on peut faire, c'est syndicalement dire au gouvernement que tout ce que vous avez envisagé n'est pas conforme à la loi, mm. puisqu'il ne concerne pas seulement les contractuels, et que si vous voulez le faire, faites en sorte que même maintenant, allez-y revoir la loi pour faire en sorte que, effectivement, l'évaluation puisse être le critère du recrutement. Monsieur est-ce que vous avez peur que, en fait, des gens qui n'ont pas le niveau d'enseigner, comme souvent le disent certains, soient récalés et qu'ils ne soient pas à la fonction publique Moi, je suis un enseignant professionnel. Mhm. Moi, je suis un enseignant professionnel. Non, pas vous, en fait. Non, j'ai dit. C'est une je, grande masse. Non, mais écoutez, mhm. je suis enseignant professionnel. Et mhm. le syndicat, le CNEP, le SNEP, nous, nous, nous, faisons la promotion des enseignants professionnels. Mhm. Nous n'avons jamais voulu mettre en avant ni la médiocrité, mhm. encore moins les performances. Mais seulement nous disons qu'il y a ici une préoccupation qui a été posée. Mhm. Et pour cette préoccupation, il faut, en tant que légaliste, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut que le syndicat veille au respect de la loi. Même la loi qui a été, qui a été torturée pour pouvoir essayer de colmacter et faire face à quelque chose qui n'existe pas, que les gens voulaient faire, vous avez vu, ça n'a pas été fait de façon correcte pour pouvoir faire en sorte que effectivement l'évaluation soit le critère. L'évaluation du secondaire dont le directeur voudrait parler tout à l'heure, on commençait à parler tout à l'heure. Mais ceux qui ont fait l'évaluation du secondaire, ils ont dit que ce n'est pas une évaluation pour le recrutement. Même si ça a été utilisé, c'est tout à fait logique. Le président de la République, il est chef de l'État, il peut décider de ce qu'il veut. Mais il l'a dit. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les textes tels qu'ils sont, n'ont pas prévu et ne peuvent pas permettre à ce que l'évaluation puisse être euh, pour le recrutement. Mais si c'est ça, mais écoutez, c'est question de Mais pourquoi on n'a pas dit l'évaluation seulement des contractuels Mais on dit, dans les textes que tu as lu tout à l'heure, mm. nouveau, on dit que l'évaluation des contractuels, c'est la même chose que l'évaluation des titulaires. donc c'est là sous-entend nous mm-hmm. sommes pour, la, pour l'évaluation, nous ne sommes pas contre qu'on cherche des enseignants performants, nous, nous soutenons, et nous l'avons dit tout le temps, que nous mm-hmm. soutenons le président de la République par rapport à ça, puisque c'est une honte pour nous je découvre des enseignants qui n'ont pas de niveau, mais nous disons que tout doit être fait en respectant la loi. Il faut respecter la loi, c'est votre souhait. Merci beaucoup à chaque auditeur euh, donc euh, de faire euh, sa propre analyse. En tout cas, pour nous, c'est dans cette optique de pouvoir faire en sorte que nos auditeurs sur l'ensemble du pays comprennent un peu ce problème qui fait l'actualité et les perspectives de ce recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Monsieur Daoud Gali, secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger. Selon vous, quels sont les grands enjeux de ce recrutement en perspective euh, dans le domaine de l'éducation au Niger Merci beaucoup. Donc, euh, nous, nous pensons que d'abord, le plus grand enjeu de ce recrutement, c'est l'évaluation elle-même, ainsi que sa mise en œuvre ou son application. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le décret 2009-72 vraiment, il a été modifié, n'est-ce pas, avec le décret 2022 qui prévoit les différents articles, l'article 5, 6 et 141, qui ont en tout cas impliqué l'évaluation. Et je vous dis que nous, nous sommes conscients. Et nous avons toujours dit, lorsqu'il s'est agi de proposer au président de la République les procédures pour la recherche de la qualité de nos systèmes éducatifs, nous avons évoqué, entre autres, vraiment la contractualisation. Et nous pensons qu'aujourd'hui, un ancien contractuel n'est pas bien disposé, en tout cas pour ces données dans la chose éducative. Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas le moyen, il n'a pas le moyen, il n'a même pas le moral. Si le recrutement sera fait dans l'art, je pense que c'est une grande satisfaction, non seulement de tous les syndicats de l'éducation, mais également pour le système éducatif. Parce qu'une fois que les contractuels, en tout cas, ont été recrutés aux emplois de fonctionnaires, je pense qu'à ce moment-là, il y avait tous les garde-fous et tous les textes mhm. pour éviter l'abandon à tous tous azimuts de nos camarades enseignants. Et je suis sûr, je parle sous le contrôle du directeur régional, le directeur des ressources humaines, il y en a deux fois vraiment, ils sont surpris souvent qu'à des postes, certains anciens, en tout cas, ont abandonné l'école en laissant les avant Des postes de l'ordre qui entrent dans la police et la gendarmerie, la garde nationale, 80% mhm. sont des anciens. Et si aujourd'hui tous les anciens là ont leur matricule, personne ne va quitter le système. Je pense que par rapport à l'évaluation, aucun syndicat tout comme le syndicat national des anciens et euh, nationaux du Niger, n'est pas pour l'évaluation. Mhm. Mais c'est un programme que l'État, comme il a dit, mhm. donc de la même manière que nous avons suivi le revers de 2016-2017, mhm. où nous avons fait plus de trois mois en train d'éliter, mais l'évaluation a été faite. Moi, je pense qu'à partir de ce constat, de cet instant-là, tous les anciens qui ont été évalués en 2016-2017, normalement, normalement, ils doivent être recrutés. Parce que si c'est de l'évaluation qu'on doit faire, ces gens-là ont été évalués, même si ce n'est pas de la même manière. Maintenant, nous, nous ce que nous proposons, mm qu'il y ait une certaine garantie et qu'il y ait une certaine vraiment sincérité dans la mise en œuvre de cette évaluation, de manière à ce que beaucoup de nos camarades ne vont pas abattre. Mhm. Parce que qui dit évaluation dit certainement il y a des enseignants qu'on va mettre à l'écart. Mhm. Et nous, c'est ce que, en tant que syndicat, nous ne souhaitons pas. Puisque quelqu'un qui a fait plus de 10 ans, mhm. la même évaluation qui a été faite, nous avait éliminé des, des enseignants de plus de 10 ans, 12 ans de carrière. Et je pense que c'est une perte énorme pour le système éducatif. Maintenant, comme déjà pour le moment, le système d'évaluation est en train d'être forcé et être mis en œuvre, pour être mis en œuvre. Et je pense qu'avec la participation des syndicats, si réellement le série va être bas prévaloir, je pense que aussi ce serait peut-être un point de chute malgré tout, n'est-ce pas, pour que nos sincères de nos camarades puissent retrouver en tout cas le chemin de la fonction publique. Mhm. Et j'ose espérer que vraiment tel qu'elle a été décrite en situation de crainte, qu'un certain nombre de garde-fous vont être pris pour qu'en tout cas nos camarades ne puissent pas en partir. Monsieur Himachana, représentant du ministère euh, de l'Éducation nationale, ils ont dit qu'ils ont un peu peur que certains échouent. Est-ce qu'il y aura 100% de réussite Dans tous les cas, le euh, processus actuellement qui se fait est un mhm. processus participatif. Mais je veux aussi qu'on se donne une ligne en se disant la vérité. Le ministère, en tout cas, estime que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui est réclamé de longue date par beaucoup de gens. J'ai dit y compris par le point 1 de la plateforme revendicative qui a connu la dynamique à aller en grève en janvier 2022. Mhm. On n'a pas modifié le décret pour introduire l'évaluation. Non, le décret, c'est pour qu'il ait la pièce qui répond dans, mhm. en termes de composition du dossier. Donc, on ne peut pas prédire euh, tout le temps des une position euh, de négativisme. Pour le moment, c'est quoi c'est quoi les cohortes. C'est pour voir matériellement comment est-ce qu'il faut organiser les évaluations. En termes de capacité, de ressources humaines que nous avons pour mhm. pouvoir donc faire la conduire. Et c'est pour ça qu'on a mis la question donc de l'ancienneté donc des plus anciens, au moins anciens dans le contrat. Mhm. En fait, on fait, on fait allusion. Ceux qui vont être évalués, c'est d'abord euh, les plus anciens, de 10 à 24 mais, mais puisque ans. Puisque mhm. vous n'avez pas un personnel d'encadrement suffisant pour venir donc euh, d'un coup, euh, fait, évaluer tout le monde. Oh, c'est pour ça qu'on a mhm. dit mhm. les plus anciens ainsi suis déçu donc pour pouvoir faire des, des, effectifs quand même fait assez importants et on les a répartis donc fait en quatre. Et nous avons dit que on a trop parlé, on a trop traversé, il faut qu'on se mette donc au travail. Donc la première, c'est de 10 à 24 ans. depuis qu'on a commencé le, volontariat, pas parce que j'ai entendu des gens dire non, on peut donner les effectifs. Parmi ces personnes-là, personne qui a 24 ans, parmi les éligibles, qui ont 24 ans à faire des contrats. Ensuite, pour aussi le souci qu'il n'y ait pas davantage encore des gens que l'âge va, vois, euh, comment on appelle ça, va Et du reste, même le, euh, dans le décret, l'insanité fait partie quand même d'un point, d'un point clé. Mhm. Donc c'est le plus ancien au, moins ancien, mhm. plus, euh, euh, comment on appelle ça, plus, plus Il faut rappeler, monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, qu'il y a eu d'ailleurs le 11 février dernier l'installation du comité technique chargé d'examiner les fiches le mhm. Où actuellement, à partir de l'aide d'aujourd'hui, les travaux donc de ce comité-là ont commencé pour les fiches administratives et les fiches pédagogiques. Les fiches administratives, donc conformément au décret 309 euh, euh, donc, 2016 euh, du statut des cadres de l'éducation, mhm. qui parle de l'évaluation des enseignants, je suis d'accord que quand on dit évaluation des enseignants, on ne peut pas faire un texte évaluation des enseignants quand tu évaluation, puisqu'un enseignant des autres classes est un enseignant. Mhm. C'est le statut administratif qui fait qu'ils sont donc autre chose. Mhm. Je suis également d'accord qu'il y a le suivi des enseignants. Donc l'encadrement que les directeurs col font chaque fois. Puisque les de de quand il fait, il fait, il finit, ce n'est pas, c'est une appréciation qu'il faut pouvoir améliorer. Alors qu'ici, c'est une note qui, chiffrée qui va être, qui va être faite. Mm. Il y a déjà des dispositifs d'encadrement où on a positionné, on est en train de former les conseils, les directeurs de ils suivent. Dans l'enseignement, c'est de façon continue. Mm. Donc, pourquoi il n'y a pas encore d'ambiguïté sur ces fichiers-là En lien avec les dispositions donc, des décrets, qu'on s'entende pour dire voilà les éléments d'appréciation, voilà comment est-ce qu'il faut les noter. Par la suite, tout l'autre processus va être conduit, mhm. n'est-ce pas, de façon euh, participative avec euh, les acteurs. L'idée, c'est d'éviter que quelqu'un dise que ça là, c'est pas fait par rapport. Maintenant, s'il y a encore une autre loi, je ne sais pas si c'est à, la radio qu'on va dire que c'est pas conforme ou pas. Dans tous les cas, lorsqu'il y a un débat sur les lois, il y a des institutions qui sont chargées de trancher. Mhm. Comme euh, certains syndicats l'ont fait en, 2017. Ils ont été au Conseil d'État s'ils ne sont mhm. pas d'accord par rapport à la question-là. Et le gouvernement, en tout cas. C'est une voie de recours. Voilà, c'est une voie de. Mais mhm. ce n'est pas à nous de parler pour dire on va continuer à dire c'est la loi ou bien mhm. ce n'est pas la loi. Il y a là où la loi a prévu là où on tranche quand il y a des, interprétations entre les citoyens ou les groupes de citoyens par rapport à la question de lois. Nous, nous estimons pour le moment, nous avons raison de croire que ce que sont, c'est ça qui est conforme au texte, jusqu'à ce qu'une preuve contraire nous soit apporté par euh, des services Monsieur le directeur, euh, on va aller rapidement puisque nous sommes pratiquement mhm. vers la fin de ce forum. On a parlé de quatre euh, cohortes mhm. que vous avez déjà présentées au, chef de l'État en décembre 2022. Mhm. La première cohorte, c'est ceux qui ont de 10 à 24 ans d'ancienneté. Ils représentent près de 23 000 enseignants. C'est 22 942. Donc près de 23 000. Mais nous avons d'autres cohortes, les 8 à 9 ans d'ancienneté, les 5 à 7 ans d'ancienneté, les, 0 à 4 ans. C'est par rapport au mhm. processus de l'évaluation. Donc, lorsqu'on prend. évaluer à quel moment ceux qui ont 8 euh, à 9 ans. Donc, l'idée, c'est de finir mhm. d'ici, euh, comment on appelle ça, d'ici, d'ici avril. Mhm. Ici, c'est fin avril, ça le, délai qui a été donné. Parce que comme vous le savez, après avril, quand il y a tout le processus d'examen autres là qui pourront prendre, puisque les encadreurs qui font ce travail-là pourront être pris encore par, par autre chose. Donc toutes les quatre cohortes vont être évaluées oui, toutes les quatre Avant avril ou fin Non, non, pas avant. Non, ce que vous avez planifié, c'est ça en demande. pour le moment, c'est la première quoi ça qu'on a planifié. Mhm. Pour le moment, en fonction de la capacité des évaluateurs que nous avons. Le nombre d'évaluateurs, c'est les inspecteurs autres là, le nombre est minime par rapport à l'effet total. On est obligé de commencer par les plus anciens dans le contrat. Donc, c'est lorsqu'on finit qu'on vient en fait à ça. C'est ça, c'est pourquoi on a appelé ça cohorte. Au lieu de dire, allez-y faire, on va voir comment vous avez fait, de mm. à ce qu'on se retrouve, on a évaluer quelqu'un qui a trois ans, mhm. alors qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui a assez pour éviter ça. on a fait donc ces questions de cohorte avec, avec, avec, les plus anciens. Et on mhm. les a répartis mhm. région par région. On les a identifiés où est-ce qu'ils sont. Est-ce chaque région, évalués de la même manière Oui, avec les fiches là qui sont, qui sont produites, les directeurs d'école vont noter des façons relatives les enseignants. Donc, euh, le premier super là. La oui, la ponctualité, la la, participation, euh, qu'on appelle la tenue. Voilà, donc euh, le respect de la hiérarchie. Maintenant, les autres associations donc, des classes, il y a une équipe équipe donc euh, d'encadreurs pédagogique n'est-ce pas mhm. euh, Pour le primaire, ils savent évaluer tout le monde. Mais mhm. pour le secondaire, vous savez, c'est un peu particulier. Euh, le n'est pas multi, n'est pas polyvalent. La deuxième évaluation qui est pédagogique, c'est sur les connaissances euh, de l'enseignant. L'enseignant, c'est sur l'aspect purement pédagogique, les outils mhm. pédagogiques, Est-ce qu'il la maîtrise de la, le cours, donc c'est la situation mhm. des classes. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait de l'arbitraire, par exemple, au niveau des chefs d'établissement Notre objectif, c'est de dire que mhm. qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de l'arbitraire avec les partenaires. Parce que les gens, effectivement, posent cette inquiétude-là. Parce qu'effectivement, on ne souhaite pas qu'il y ait l'arbitraire, on souhaite qu'il ait beaucoup d'objectivité pour avoir des résultats euh, conformes à la réalité. C'est votre souhait, merci beaucoup. Il faut rappeler que l'évaluation administrative qui est faite par la hiérarchie, les directeurs, ça représente 30%. 30% Alors que l'évaluation pédagogique, c'est 70%, les connaissances des enseignants. Euh. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Monsieur Alio Samna, secrétaire général euh, du SNEB, on ne va pas revenir sur euh, votre avis par rapport à la conformité à la loi ou pas des décisions prises. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale explique qu'il faut aller au Conseil d'État quand on n'est pas d'accord. En fait, c'est un voie de recours. Bon, si le dialogue permet déjà d'être d'accord, c'est l'idéal. Mais le processus est lancé. On a l'impression que c'est irréversible puisqu'il y a beaucoup qui attendent. Aujourd'hui, c'est de nous dire de façon succincte, selon vous, quels sont les défis à relever pour une bonne organisation de ce recrutement. Merci, Michel. la même façon que le DRH nous demande d'aller, nous demandons également au ministère de nous prouver. il n'a pas dit d'aller, il dit dans un état de nous aller. la même façon, pour nous convaincre, nous qui sommes ses partenaires, pour nous convaincre qu'il est sous la bonne loi, il peut également aller et comme ça on aura la réponse. Euh, voilà, le euh, défi à nous, Vraiment, en tout cas, c'est de l'intérêt de l'école nigérienne que, vous puissiez vous entendre. Nous, pensons que ce qui est, nous pensons que ce qui est extrêmement important. D'abord, la première chose, c'est que effectivement cette évaluation, même si d'ailleurs nous ne sommes pas d'accord, se fasse en respectant toutes les responsabilités et en le faisant dans un cadre autre que ce que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'administration nigérienne, elle est hautement politisée. Donc il faut qu'on arrive à voir comment on peut amener, que ce soit les responsables au niveau des écoles, au niveau des équipes qui seront constituées, que ce soit des personnes d'abord intègres et que ceux-là puissent faire leur travail vraiment en tenant compte des valeurs intrinsèques des uns et des autres sans mhm. se fier à la politique. Merci. En dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres défis à relever Et, l'autre défi également, nous savons que cela sous-entend des ressources. Il faut que les ressources soient réellement mobilisées, même si par ailleurs, au cours des rencontres, notre partenaire, le ministère, nous a rassuré par rapport à des voies pouvant permettre au ministère d'avoir les ressources permettant de pouvoir mener la tâche à bien. La troisième chose, le DRH vient de me rassurer parce que nous avons à un certain moment des idées selon les 22 000 personnes. Même quand vous prenez une région, je prends une, une région dans la région X, les enseignants qui sont euh, euh, vraiment anciens mhm. peuvent ne pas se retrouver dans un même rayon. Mais il nous a rassuré qu'ils euh, ils ont la cartographie mhm. et que vraiment cela permettrait de, pouvoir toucher tout ce, ce beau monde, en tout cas de cette première catégorie, avant la fin et du mois d'avril. La dernière préoccupation que nous allons donc évoquer à ce niveau, c'est de dire simplement que après l'évaluation, que nous sachions que les enseignants qui ont été considérés comme étant performants puissent être recrutés. Le ministère n'a pas un plan de résorption. Un plan, ça sous-entend de notre compréhension qu'on nous dise que cette année, on va recruter 3000, que l'année prochaine, on prendra 4000, que l'année qui suit, on prendra tel nombre. À la date d'aujourd'hui, le DRH, et là peut-être nous nous sommes mal informés, hmm. nous voudrons savoir combien de personnes seront recrutées à la fonction publique cette année. C'est-à-dire ceux qui prochaine, sont éligibles, nous avons 63 435. Mais le 22 000 même qu'on prend la première cohorte. Maintenant, dans la première, cohorte, par exemple. Si on prend les 22 000. les 22 si dans les 22 000, il y a 11 000 enseignants performants, monsieur le directeur des ressources humaines. Dans les 11 000, combien seront recrutés mhm. La réponse qui nous a été donnée au cours de la rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, mhm. on nous dit non, non, c'est quand on aura le nombre d'enseignants performants qu'on ira discuter avec le ministère des Finances pour pouvoir voir combien le ministère sera capable de prendre. Mais L'année prochaine, combien Et dans combien d'années nous, allons nous vous pensez qu'il y a d'autres défis à relever rapidement Rapidement, donc, mm. je vais énumérer quelques défis de A3, par exemple. Donc, euh, notre premier défi, c'est de faire en sorte que nous appuyions l'esprit de nos camarades qui vont affronter cette épreuve, de manière à ce que le euh, soit dans la salle euh, de l'évaluation avec un esprit apaisé, avec un certain dynamisme et avec un espoir qu'ils vont passer. Maintenant, le deuxième défi est relatif à la pratique même de l'évaluation. Et contrairement aux évaluations antérieures que nous avons vues en 2016 et en 2020, n'est-ce un certain nombre de problèmes qu'on a eu à, remarquer, n'est-ce pas, qui font que souvent l'évaluation même est biaisée. Mhm. Et le plus souvent, le problème est dit peut-être au moyen par lequel on a pu utiliser pour mettre les évaluateurs dans les conditions. Mhm. Et c'est pourquoi nous avons sollicité à ce que les syndicats soient dans, en tout cas dans, dans le système, de manière à observer de visu, mhm. n'est-ce pas, comment l'évaluation s'est passée. Vous voulez une démarche euh, participative. Donc, on comme l'a dit, Vraiment, il faut que la démarche participative soit réelle. mais si on vous a bien compris, vous souhaitez cette démarche également. C'est juste un point. C'est pour dire que, euh, euh, quelle est la voie de recours en cas, en cas en cas de contestation Parce que je peux être Merci évalué. On a terminé, mais on va donner la parole au représentant du ministère euh, de l'Éducation nationale, M. Hima Chana, qui va terminer. Est-ce que déjà on peut avoir une idée du nombre euh, précis d'enseignants que le gouvernement veut recruter euh, Dans la question donc de recrutement à la fonction publique, mhm. aujourd'hui, je ne crois pas qu'au niveau de l'éducation, de l'autre ministère, vous avez le nombre exact qu'il faut recruter. Nous, on a fait le plan qu'on a soumis aux autorités qui étudient en pour nous donner, pour dire voilà de façon chiffrée. Ce n'est pas caché, on leur a dit ça. Et l'enseignement technique, et la santé, et la culture, personne ne peut vous dire aujourd'hui là je vais recruter en fait temps parce que on peut demander à travers euh, mhm. j'ai une question qui est le caresse mhm. avec les centrales syndicales donc vous pouvez savoir qu'il y a un majeur gouvernemental avec la fonction publique qui dit mhm. de façon globale voilà notre plan euh, de recrutement et voilà les quotas qui sont donnés au ministère c'est un document chaque fois qu'il sort il est global mis à part donc recrutement recrutement. le du qui qui est ce que ce sont les plus méritants voilà. passer. Voilà, donc insanité mhm. et mérite. Mhm. ça. Et les conditions. Deuxième, vous êtes chose. Pour que ça deuxième chose, on est en train de créer les conditions également pour qu'il ait un regard extérieur dans le processus, pas après le processus. Y compris s'il faut créer des voies, des choses là. Nous sommes, c'est pour ça qu'on a approché les partenaires. Si c'est nécessaire qu'on crée une pour des recours, nous, on ne voit aucun problème en tant que gouvernement pour pouvoir le faire. L'objectif, le plus important, c'est de faire un travail sain et objectif. Et c'est pour ça qu'on a décidé, pour éviter de ça, que les évaluateurs soient permis, que, que chacun ne fasse pas l'évaluation dans la localité mm. où il sert ou dans la localité où il a quitté, par exemple, en fait, l'année. Tout ça là, c'est bel et bien possible. Mm-hmm. S'il y a encore des propositions pour améliorer la sincérité de cette euh, évaluation-là, donc euh, les partenaires sont là dans, le comité, ils sont libres à eux de, de les faire pour qu'elle soit donc prise en compte. On vous a bien compris, M. Chana, directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale. Et chers euh, auditeurs des médias partenaires du studio Kalangou, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Le thème euh, débattu était processus de recrutement des contractuels de l'éducation à la fonction publique, en jeu et perspectives. Nous retenons que ce processus euh, est en cours. Il faut rappeler que les contractuels éligibles à la date du 31 décembre 2022 s'élève à 63 435. Nos invités ont exprimé donc leur désir de voir ces différentes évaluations se dérouler dans les meilleures conditions. Pour le moment, on n'a pas une idée exacte sur le nombre d'enseignants que le gouvernement voudrait recruter. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos invités, Monsieur Hima achana directeur des ressources Sources humaines au ministère de l'Éducation nationale, M. Ali Samna secrétaire général du syndicat national des enseignants de base SNEB, et e M. Daoud Gali, il est le secrétaire général adjoint du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Niger SNEN, e à la modération du forum de ce soir. Je suis Michel Deji, à la technique Aminasan. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.